Nous sommes dans un contexte de développement de la couverture maladie universelle, qui est un programme de l'État. Les mutuelles de santé étaient là et l'État a placé une confiance en ces mutuelles de santé. Nous avons vécu l'expérience de la CMI pendant des années. L'union départementale a été mise en place en août 2016 et qui a des devoirs envers ces mutuelles de santé, mais aussi envers l'État. Nous avons travaillé, nous avons réalisé quelques éléments. Aujourd'hui, il s'agit de voir où est-ce que nous en sommes, dans un premier temps. Où est-ce que nous en sommes et surtout voir nos faiblesses. Nos faiblesses pour aller vers une couverture plus étendue, mais aussi assurer euh, euh, la pérennité des mutuelles de santé, la viabilité des mutuelles de santé. Et donc, euh, renforcer la confiance de l'État sur les mutuelles de santé. Nous nous sommes réunis pour évoquer les problèmes internes aux mutuelles de santé, pour ne pas aller justifier nos insuffisances, nos contre-performances par simplement le retard des subventions de l'État. Mais à l'interne, comme on l'a vu dans la présentation, nous avons vu qu'il y a des faiblesses au niveau de l'extension de cette couverture maladie, au niveau de l'extension de l'assurance maladie. Car les mutuelles sont des associations du secteur privé auquel l'État a accordé une confiance pour porter la politique. Mais intrinsèquement, si nous devions rester sur cette lancée de mutuelle de santé, d'assurance maladie, est-ce que les performances que nous avons aujourd'hui suffisent pour assurer de la viabilité de nos mutuelles de santé Voilà un peu l'enjeu qui justifie l'organisation de cet atelier pour que nous parlions nous-mêmes, voire on a placé une confiance en une mutuelle de santé dans une collectivité locale. Si les dirigeants ne travaillent pas, il faudrait voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population puisse bénéficier d'une couverture et que ces responsables-là prennent leur engagement à faire avancer les choses. Le problème, c'est au niveau de certains responsables de mutuelles. Hein. Je dirais, ils sont là, ils prennent des responsabilités, mais ne vont pas jusqu'au bout en termes d'engagement. D'engagement pour conduire une équipe, pour élaborer un programme de travail, avoir des objectifs, les poursuivre et au moins avancer sur ce plan-là. Je, comprendrais difficilement une mutuelle qui a fait plus de 10 ans et qui ne peut pas atteindre 1000 bénéficiaires. Ça ne se justifie pas. Et vous avez vu les chiffres. Des mutuelles avec 558 bénéficiaires, des mutuelles avec 200, alors qu'aujourd'hui le besoin est là. Le besoin est là. Et comme disait Mme Beng, c'est un marché. Il faudrait que les mutualistes, les responsables de mutuelles sachent saisir cette opportunité de marché pour développer leur mutualité. Moi, en tout cas, pour moi, il reste encore des choses à régler au niveau des responsables, des managers des mutuelles de santé pour permettre d'avancer. C'est là où aujourd'hui je justifie un peu la faiblesse des mutuelles de santé. En dehors de ce que l'État nous doit, mais pour moi, ce que l'État nous doit, c'est une opportunité pour avancer. La CMI est une opportunité et chaque responsable doit, la saisir comme une opportunité et faire développer son, sa mutuelle de santé. Au niveau de la région de Thiès, avec euh, l'Union régionale, nous avons mis en place un fonds de garantie. Un fonds de garantie qui vient en appui aux mutuelles qui ont des difficultés de trésorerie, qui peuvent venir emprunter à ce fonds-là pour régler leurs factures en attendant que l'État nous verse les subventions. Donc beaucoup de mutuelles ont bénéficié de ce fonds-là. Certaines mutuelles n'en ont pas besoin parce qu'elles ont atteint un niveau de liquidité qui leur permet de faire face aux problèmes financiers. Et c'est ce que Mme Beng disait à propos des mutuelles de Fanden, où quand même le taux de pénétration, le rapport entre personnes assistées et personnes qui cotisent de leurs propres euh, ressources est différent. Et donc, euh, c'est à ce niveau-là qu'il faudra travailler pour que chaque mutuelle essaye les personnes assistées doivent représenter 25% des membres de la mutuelle. Nous ne sommes pas sur ce rapport-là. Et c'est sur ce rapport qu'il faut travailler pour que chaque mutuelle essaie au moins d'aller sur ce... Maintenant, sur la CMU élève, euh, nous avons fait réunion, nous avons engagé les mutuelles. Seulement, pour la prise en charge, il se pose des problèmes puisque certaines mutuelles ont arrêté les prestations. Donc, il n'est pas prudent de prendre aujourd'hui les élèves, de les enrôler, alors qu'on ne peut pas leur assurer les prestations. C'est ça qui explique en partie le faible taux d'inscription des élèves. Pour les subventions de 2016, le deuxième semestre de 2016 n'a pas été versé. Nous sommes en train de constituer le dossier pour 2017 et donc, euh, donc voilà, c'est 2016-2017 en tout cas que l'État nous doit en termes de subventions pour les, classiques comme pour les bénéficiaires de bourses de familiale et les cartes d'égalité de chance. La région de Thiès a toujours été citée comme le berceau de la mutualité. Je pense que la première mutuelle de santé est née à Fenden en 1989. Donc ça veut dire que Thiès euh, a une place importante dans le programme de couverture maladie universelle, constitue une région d'enjeu. Mais aujourd'hui, avec les résultats que nous avons dans le département de Thiès, oui, c'est vrai, on peut se féliciter dans, certains endroits, mais ça demande réflexion. Ça demande quand même un arrêt et de se demander, mais qu'est-ce que nous devons faire pour aller de l'avant Parce que si nous euh, regardons certains chiffres dans certaines communes de Thiès, donc je pense qu'il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc nous sommes dans un programme euh, volontaire, donc nous devons créer les, un cadre qui permette aux gens de sentir l'importance d'intégrer les mutuelles de santé aujourd'hui. Donc ça nous amène à nous à réfléchir et à nous dire qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que euh, ce programme aille de l'avant dans le département de caisses et dans la région, dans, dans sa globalité. L'agence de la CMU a pris forme en mettant en place au niveau de chaque région un service régional. Ça, c'est vraiment pour permettre à l'agence d'être beaucoup plus proche de la base. Raison pour laquelle l'agence a décidé de mettre dans chaque région un service régional avec un personnel permettre pour pouvoir accompagner les mutuelles de santé, les unions départementales. Maintenant, nous sommes dans une démarche de recherche-action. C'est un processus qui prend son temps, qui prend, qui prend son temps avant d'avoir les résultats escomptés. Donc, je pense que c'est ça seulement qui peut expliquer les résultats. Mais pour ce qui est de l'agence, je pense que l'agence a sa feuille de route, un plan stratégique 2013-2017 qui va être évalué, un plan stratégique 2017-2021. Donc, je pense que l'agence a vraiment pris forme. Aujourd'hui, il y a des facteurs externes mais aujourd'hui, l'intérêt de cette activité, c'est de parler des problèmes internes aux mutuelles de santé. Je pense que c'est ça l'importance de cette activité. Et de passage, je félicite l'Union départementale des mutuelles de santé de Thiès d'avoir pris l'initiative d'organiser cette activité. Parce que c'est vrai, il y a, d'autres problèmes qui peuvent... Euh, euh, expliquer un tel résultat. Mais nous prenons à l'intérieur des mutuelles, il y a un problème de leadership, un problème de management, un problème d'information, de compréhension des populations. Il y a beaucoup de facteurs qui sont à l'interne des mutuelles de santé aujourd'hui que nous devons parler, que nous devons exposer aux yeux et aux yeux de tout le monde pour que chacun s'y mette pour avoir les bons résultats. Les ruptures de médicaments constituent un problème aujourd'hui pour les mutuelles de santé, surtout en ce qui concerne les dépenses de santé. Je pense que les médicaments qui sont vendus au niveau des structures sanitaires, sont beaucoup moins chers que les, médicaments de spécialité qui sont vendus dans les pharmacies. Donc je pense qu'aujourd'hui, si nous essayons de régler ce problème, et d'ailleurs nous avons tenu un atelier euh, les 31 er et 2 février ici au niveau de la région de Thiès pour réfléchir sur la question. L'union départementale était présente pour voir un peu qu'est-ce que nous devons faire avec la pharmacie nationale d'approvisionnement, pour voir qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour essayer de résoudre ce problème de rupture des médicaments et aussi de prescription des spécialités également. Je vais parler dans un premier temps du rôle de la région médicale. Son rôle, c'est d'accompagner le service régional à travers ses activités. Parce que comme on dit, la CMU, c'est une politique de l'État. Donc la région médicale a le devoir d'accompagner le service régional à travers les partenaires pour mener à bien ses activités au niveau de la région. Pour parler un peu par rapport aux chiffres, je crois que cet atelier vient en son heure. Parce qu'en faisant une analyse des gros d'étranglement, ça nous permettra de voir les résultats, euh, de voir euh, plutôt les solutions pour parer à ces manquements. Mhm. essayer de booster les indicateurs de la région de Thiès. Comme elle a tantôt dit, euh, Thiès c'est le berceau de la mutualité. Donc pourquoi essayer de persévérer, continuer dans cette lancée pour s'imposer au niveau du Sénégal. L'agence est, sous la tutelle du ministère de la Santé. Donc, elle est toujours au niveau du ministère de la Santé. De ce fait que les factures, les subventions, tout se passe au niveau du ministère de la Santé. Donc, le rôle de la région médicale, c'est d'accompagner le service régional à travers l'union départementale, que je salue le président au passage, M. Ouad Le rôle de la région, c'est de les tranquilliser, de les accompagner pour qu'on trouve ensemble des solutions pour parer à ces, à ces retards de, de subvention. C'est vrai, ça existe. Le retard est là, Donc, notre rôle, c'est d'accompagner. On ne peut faire qu'accompagner, comme c'est une politique de l'État. waral mooy euh, ñun liggéey nañu CMI Nous union depuis octobre 2016 Nous avons liggéey mutuelle CMI ñu avec le service régional di fan la mutuelle yi toll ñu nemmeekoo ah war nañoo en tant mutuelle li ñu am ci ay résultats ñu ko càmbaree ba pare ñu xool ñun lan moo ci manqué te mu féete ci suñu côté ñun mutualiste yi jéem a xool lan la liggéey bi lan moo ci doxul lan lañ ci war def pour que liggéey bi avancé te li nga xam ni moom la ñuy séentu ñun mutuelle yi askan wi di ko séentu itam ndax soxla nañu assurance santé état bi di ko séentu ñu mën koo màttale bu dul loolu suñu nekkin fii day des alors que teg nañu yaakaar ci ñun ñun war nañu mën a dem te ci wàll woowu gis nañ ni tey ci li bokk ci ay nit ci mutuelle yi ba tey néew na par rapport ak li ñu waroon ñaareel ba boo demee ci xoolee ñi ci bokk ñi ciy nat néewaat nañu encore kon loolu te ku nattul doo mën a faju kon taux de bi dafa gën a wàcc ci côté boobu loolu lu ko waral foog ñu xool ko waxtaan ci mais li ma ci mën a wax mooy Si nous ko bëgg waxtaan ñu ci suñu biir ñun mais expliquez parce que bu ñu couverture maladie opportunité la mutuelle yi pour que nous ñu waroon maximum de membres par exemple si tu as 5000 membres tu as 20 millions de budget annuel pourquoi on ne se lance pas dans ce travail là am nga 20 millions ci ci xaalis donc lu tax yow jéemuloo liggéey pour am 20 millions yooyu jëm kaw boo ko amee yow xam nga ni sa mutuelle day dem parce que yooyu ay étude la ñu def xam ni mutuelle bu ci am 5000 membres mën na yor boppam mën na recruter gérant mën na wut siège mën na faj nit ñi parce que ci 20 millions yooyu presque quinze à 4 à 16 millions yi ci fajum nit ñi la jëm te kooku day am impact ci santé pourquoi ñun réaliser wuñu loolu pour nit ñi gis njëriñu mutuelle de santé yi. yooyu ay jàngat la la ñu war a def boo tax ñu ni dañuy waxtaan dañuy waxtaan ci suñu biir waxante dëkk fonds de garantie bi depuis 2016 lañ ko taxawaloon union régionale yi ñu waxtaanee ñu ni union régionale na ko taxawal teg xaalis di abal mutuel de santé yi euh, ku ci am jafe-jafe xaalis nga ñëw andi sa dossier man dama war a fay ay facture nga andi dossier bi am na commission bu fa nekk étudier ko abal la xaalis pour nga fay say facture donc mutuelle yu bëri jëfandikoo nañu fonds boobu ñu ngi ciy liggéey di continuer te ñëpp rafetlu nañ ko aussi parce que réglé na problème yu bëree bëri sinon bu amul woon mutuelle yu bëri arrêté nañ seen prestation. waaw tolluwaayu mutuelle de santé yi comme ni ma ko waxee woon sànq euh, Thiès dafa am place boo xam ne daf ko féete ci wàllu mutuelle de santé donc mutuelle yi jëkk fii lañ juddoo donc mu nekk région boo xamante ne région de référence la parce que booy wax mutuelle rek Thiès ngay xalaat donc kon résultat Thiès dafa nekk loo xam ne dafa am importance donc activité tey bii dinañu permettre au niveau du département ñu ci sant waa union départementale bi ñu amee xalaat bi ne ñun nañu taxaw seetlu suñu biir waxtaan suñu biir génnee suñu jafe-jafe pour jëm kanam donc je pense que tey jii loolu donc je pense que tey jii loo gis lu c'est un processus le programme de couverture maladie universelle c'est un processus nank nank nank ba ñu am li ñu bëgg mais nank bobu da fay laaj ñuy taxaw di sétlu bu fekkee nit ki ñëw na di jënd garab fekk garab bi nekku fa day obligé mu dem ci pharmacie parce que mutuelle de santé dañuy jël médicament pharmacie mais bu boobaa tamit bu dafay gën a cher ci mutuelle de santé bi te bu fekkee ne dépense de santé yi mutuelle yi dañuy fay xaalis par exemple mu am 10 millions mu jël 9 millions 500 yëpp dugal ko si paj mi fonctionnement ñëwul leneen ñëwul wala mu am facture yoo xam ne c'est 12 millions dette ñëw na donc day loo xamante ne dafay nekk jafé-jafé ci mutuelle donc lolu ñu ci xalaat di réfléchir naka nañuy def déjà établir des une liste bo xamné médicament au niveau des pharmacies ba nga xamné mutuelle bu nit ki bu ñëwee di jënd garab ñu ne ah mutuelle garab yi de mën na ko jël garab yi mënu ko jël poste de santé aussi nan nañuy défé ba saafara rupture médicament je pense que yoy yëpp dina mëna a ba nga xamné programme bi dina mëna jëm parce que ku ci nekk daf ci am wàll ñun dañoo fété ci côté demande Manam jënd paj mais ñi jaay pati aussi dañ ci am wàll donc je pense que loolu tamit lu am lu am solo la. atelier bi vient à son heure je crois bien que boo yoree mbir di ci di ci dox day laaj nga koy saytu di ko càmbar pour nga xool looy joyanti pour gën a mën a euh, def liñ la laaj par rapport ak population bi li muy xaar ci yow bu ñuy wax loolu ci CMU mooy mutuelle yi. au niveau de au niveau de la région de Thiès mutuelle yi am nañ fi wàll am nañ fi wàll kon ñun sunu li ñu war a def suñu rôle mooy eh, jàppale leen ba nga xam ne nii du mën a nasaxal seen nekkin parce que tey jii bu mutuelle yi nasaxee defe naa ñun ñooy sonn parce que ñun suñu devoir day nekk après kon pour jël indigène yi en en en kii di leen jël en ci seen i seen i alors que donc suñu rôle suñu suñu intérêt mooy jàppale leen ba ñu bañ nasax dañuy ne BSF yooyu nasaxal la waaye dañ naan rek euh, nit dina deewaaleeg mbébitam état li bëgg mooy ñëpp mën a faju à moindre coût